première remarque bi may veux a def connais le communiqué de l'administration pénitentiaire la mhm. am ay doute yoo xam amené ni ak euh, ay cest ça dire communiqué dafa ma xaw jaaxal parce que tey jii dama gisul y ci une loi le administration pénitentiaire mën du coup pour sanctionner son Ousmane Sonko pour deux raisons qui me semblent fondamentales tey jii bu Sonko defoon un audio génn audio bi mais l'intelligence artificielle permet à des gens mais mais dafa dafa nekk sax. la changer. et foofu et il me semble qu'il y a un vide juridique. absolument oui si si si il y a un vide juridique. tout ce qui est digital il il y a un vide juridique. il y a y a y a un vide juridique il y a pas une législation. faut pour pour nga pour sanctionner Ousmane Sonko. Mm-hmm. ce sera extrêmement difficile. Mm-hmm. même le communiqué qui a été lu. Mm-hmm qui a été élu. Ils auraient pu le faire de Administration pénitentiaire, Gomo Funi Wana Mounou Sokunduku pour sanctionner Ousmane Sonko. Mhm. Et ensuite, les gens de PASSEF, tamit, l'on est monté Wachadam, même Boy Wachadam, tamit, ils s'amettent, ñom duñu ay tourné non non non non seulement duñu ay duñu ay tourné mais également ils ont joué sur le temps annoncé à 14h je ne sais pas 16h mhm. ñu togal pas 18h mais mhm. xam nga comment ça se passe avec les docteurs xam nañ xam nañ l'effet de l'attente en matière de communication. Mm. mais il faut doucher les ardeurs de la justice euh, comment dire de l'administration pénitentiaire le mm. ministère de la justice là parce que moi, je moi un patron. Mm. donc il y a des a qui qui ci Il def a une vie du juridique. Mm-hmm. pour nga pour sanctionner Ousmane Sonko sera extrêmement difficile. Mm-hmm. parce qu'il y a il y a, Mais quand tu penses qu'on, peut-être Sonko aurait dû foncer. Hmm? Donc, tu penses que Sonko aurait dû foncer et euh, euh, respecter son rendez-vous avec euh, la population du Sénégal. Non, et, puis, et ça demande que les conditions dans lesquelles mon nek non pour moi def audio c'est extrêmement difficile. Je ñu rentrer de grec. Ah mais xam ñu ah, dafa am visiteur kooku euh, euh, tey ñu bon ñu bëri nag bëgguma j'espère donc sans problème ñu avocat avocat yi ñu am accès ci moom bu ñu waxee bu ñu waxantee dëgg avocat yi ñoo am accès ci moom yow yaa ko wax man waxuma ko waaw non non attends rek non non avocat yi ñoo am avocat bu ñu am sa accès moom non attends attends te kenn doon fee parce que moo tax moo tax communiqué bi précisé na ko mm-hmm. xam nga communiqué moom presque euh, communiqué bu doy waar dañu def nag parce que communiqué bi moom dafa préciser Euh, euh, junj na junj na borom xel quoi ndax nee avocat yi dong. nañ te te kenn ci avocat yi. mu mhm. am accès ci moom. waaw muy Ciré Clédor. kese waaw te tamit je ne sais pas tam administration pénitentiaire xarañ bi ñu am. Mhm. ak métier bi am. Mhm. c'est-à-dire que ñoom ñuy xoole ba Sonko di def un audio audio bu am importance boo xam ne mën na yëngal am réew. ngeen bàyyi mu jàll à moins mu bénéficier de complicité active au sein de l'administration pénitentiaire. et je ne le pense pas je ne pense pas. Mhm. donc nous sommes autour d'un vide juridique. Mhm. le choix de Bassour Diomaye Faye man yàgg ko